On a vécu un drame hier. Nous avons compté 20 enfants décédés hier et nous en avons retrouvé deux autres calcinés ce matin. Sans compter qu'on a amené un ce matin qui était gravement brûlé, qui a aussi confirmé qu'il y en avait d'autres qui ont été amenés à l'hôpital. Il faut qu'il nous trouve une solution durable car c'est la troisième fois que cette école brûle, mais on n'a jamais eu autant de dégâts.